L'actualité, c'est DIFA avec la visite du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Ibn Chambas est allé s'informer mercredi sur la situation humanitaire et sécuritaire dans la région. Il a visité le camp de Griwanzam qui compte quelques 25 000 déplacés. Ibn Chambas dresse une situation pas du tout reluisante et a promis d'être le porte-parole de la communauté humanitaire auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les quelques heures que j'ai passées dans la région ont été particulièrement instructives. Elles m'ont permis d'évaluer les conséquences désastreuses des attaques de Boko Haram, d'apprécier la rapidité et l'efficacité d'intervention. Pendant ce temps, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes tente de rassurer. Selon Magaji, la situation des déplacés s'améliore de jour en jour. Par exemple, dit-il, la question de l'eau est réglée, tout comme celle de l'alimentation, de la santé, et beaucoup de déplacés retournent chez eux. Une semaine riche en procès, mardi, la Cour d'appel de Niamey a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Soumana Sanda et six autres de ses camarades militants du parti Lumana. Ils sont poursuivis respectivement pour incitation et participation à un attroupement armé et non armé. Le jugement au fond de l'affaire a eu lieu vendredi et le délibéré est prévu le 12 juillet prochain. Un qui connaît bien son délibéré, c'est l'acteur de la société civile, Abdelmoumouni Ousmane, qui a écopé jeudi de six mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA pour des propos tendant à renverser le régime sur Facebook. Nourudin Haruna avant sa condamnation. Les propos publiés sur Facebook sont un état d'âme de Abdelmoumouni. Nous avons démontré la source de cet état d'âme. Nous avons démontré que ce sont des propos qui sont totalement passifs et qui ne sont pas de l'ordre de ce qu'on peut qualifier d'un appel à un renversement de régime. La journaliste française et correspondante de TV5 au monde, Nathalie Prévost, n'est plus autorisée à couvrir l'actualité au Niger pour TV5. C'est une décision de la ministre de la Communication qui lui retire son autorisation de tournage. Elle évoque dans sa lettre le non-respect des textes régissant la presse au Niger sans autre précision. Enfin, le déroulement des examens du BEPC, ils sont plus de 120 000 candidats issus de l'enseignement traditionnel franco-arabe et candidats libres à passer les épreuves.